préoccupante. Nous, internes des hôpitaux du Sénégal, avons contraint de décréter une grève après des années de négociations infructueuses et d'attente de solutions concrètes de la part des autorités. L'internat des hôpitaux du Sénégal, créé en 1958, est une institution majeure de notre pays, non seulement pour la formation d'une élite scientifique en médecine, pharmacie et psychiatrie, mais aussi pour le rôle crucial que jouent les internes dans la prise en charge des patients et le fonctionnement de nos hôpitaux. Mais malheureusement, cette, institution qui a formé les plus grands spécialistes du pays, je peux citer aujourd'hui le professeur Eva Marie Colsec, par exemple, qui était ministre de la Santé et de l'Action sociale et qui est aujourd'hui ancien interne des hôpitaux, et à tant d'autres. Nos revendications légitimes donc euh, comporte plusieurs points. Je vais commencer par le statut clair de l'interne. Les textes qui encadrent l'internat sont obsolètes, laissant les internes sans véritable reconnaissance dans le système de santé. Parce que c'est des textes qui datent depuis de la création de l'internat des hôpitaux, donc en 1958. Nous travaillons sans hiérarchie clairement définie, bien que nous soyons matriculés et intégrés dans les rouages de la santé publique. Cette absence de statut est une injustice il est urgent de corriger. Il y a également le problème des logements. Si on dit internant des hôpitaux, donc l'interne doit loger à l'hôpital pour répondre aux besoins de l'hôpital. Mais malheureusement, on peut constater aujourd'hui le logement des internes de l'hôpital FAN. Donc c'est ce bâtiment que vous voyez qui est dans un état de vétusité avancée et l'effondrement récent d'un plan du mur que vous pouvez voir de l'autre côté. Donc là, vous, là-bas, vous voyez le mur qui est effondré. Et donc, euh, vraiment, ce bâtiment est dans un état très grave. Et donc, aucune mesure concrète n'a été prise pour sécuriser ou réhabiliter ce site. Et nous tenons le ministère de la Santé pour responsable de tout incident qui pourrait survenir. Il y a également le problème de l'insertion professionnelle équitable. Donc l'État du Sénégal forme à grands frais une élite médicale qui se retrouve une fois après sa formation achevée sans perspective d'intégration dans le système de santé. je pense que cela également est inacceptable. Cela est non seulement inefficace, mais aussi constitue un gaspillage des ressources publiques. Nous demandons une politique de recrutement qui valorise les compétences des anciens internes et répond aux besoins criants du secteur de la santé. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Beaucoup d'anciens internes donc, ont peut-être décidé de quitter ce pays pour trouver une vie meilleure. Pourquoi Parce que ces anciens internes ne sont pas recrutés et ne sont pas mis dans de bonnes conditions pour servir le Sénégal qui leur a tout donné. Il y a également le problème de la revalorisation des émoluments et des primes de garde. Nos émoluments, bien en deçà de nos responsabilités et de notre charge de travail, reflètent un manque de considération qui est alarmant. Alors que l'État a récemment revalorisé les indemnités du personnel de santé, les internes, pourtant en première ligne, n'ont pas bénéficié de ces mesures. Il y a également une réforme du programme scientifique et des concours donc, qui doit être menée. Le programme actuel est dépassé et ne correspond plus aux réalités médicales modernes. Nous exigeons sa révision immédiate ainsi qu'un ajustement des dates du concours pour s'aligner sur le calendrier universitaire. La création de postes d'assistants. Le manque de postes d'assistants est un problème structurel qui menace la qualité de la formation et afferme l'ensemble du système de santé. On peut donner l'exemple du dernier concours d'agrégation du CAMES qui s'est tenu en Guinée-Conakry. Durant ce concours, le Sénégal a proposé 42 candidats. C'est un nombre qui est vraiment... Si Sen Bop. bopp bu ñu doon xeex ngir nous bopp dañuy dem Europe faji faji ñu fay xeexuñu ko seen bopp parce que bu ñu ko doon xeex seen bopp dañuy dem tijji privé nekk foofu boobu waa Sénégal yi mën a faju duñ ko mën a faju ci privé mënuñu ko dañuy xeex ngir système de santé Sénégal nga xam ne nii ñun ñëpp ñoo ko bokk tey jii ku fi feebar mën nga fa war nga fa mën a faju comme que nag loolu moo am kon xale yi tey dañ leen war a déglu war leen jàppale ci li ñuy xeex parce que li ñuy xeex yëpp lu am solo la donc tey ji autorité bi ku mu mënta doon war na leen recevoir dans les plus brefs délais déglu leen ci li ñuy wax nii même bu nekkee munoo ko mënoo ko saafara nga jox leen ci ay promesses yoo xam ne di nga ko mën a kii ñu mën a ñu mën a continuer liggéey bi parce que bu nekkul loolu malade dina ñëw hôpital kenn du ko xool ñu leen jaajëfal